Monsieur le drapeau qui parle. Oui, le drapeau parle, mais nous voulons voir C'est le drapeau. Il n'y a pas de mots. C'est le drapeau qui parle. Sénégal rec, Sénégal rec. Sénégal rec, Sénégal rec. Mingini, Mingini. Holal, holal. Xolal xolal xolal xolal xolal xolal voilà mang koy dund bu baax accessoire inshallah